shirin mu fada da ku a cikin wannan shirin mai da ku muku ƙarshen mako daga sashen matasa na studio Aujourd'hui nous allons aborder un sujet fondamental pour le développement de l'esprit humain, la lecture. C'est un pont entre les cultures et les époques qui joue un rôle crucial dans la formation intellectuelle et le développement personnel. Pourtant au Niger, de nombreux défis subsistent quant à l'accès aux livres dont la promotion de la lecture. Et en guise d'exemple, des manifestations littéraires se font depuis le début de l'année à travers presque toute l'Afrique, sauf au Niger bien sûr. Le plus récent, c'est le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, qui a pris fin le 14 mai passé. Et il y a aussi le FILIGA, le Festival international du livre gabonais et des arts, qui se passe actuellement à Libreville, au Gabon. Et l'agenda se poursuivra sur toute l'année. Sachez de Dama Neza Amma Anan Niger, Churuka Kéji, Antema malam ya cinye yasa gayyato muku tattauna tare da su akan quelle est l'importance et la place de la lecture chez les jeunes nigériens Pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord Fatouma kouano Pierre, c'est l'ambassadrice des éditions Nouveaux Horizons au Niger. Bonjour Fatima. Bonjour et merci bien pour l'invitation. Je vous en prie Fatima et bienvenue dans notre FADA. Et à côté d'elle, nous avons Omar Moussa Rabioulou, c'est le responsable de la bibliothèque Maman Saguir du campus de l'Université Bonjour et bienvenue à vous dans notre fada. Bonjour Fanta. Et nous avons aussi Hiro Mamman Salifou. C'est le secrétaire général du club hein, des lectures Cercle des Feuilles du livre. Il est écrivain, il est conteur. Hiro, bienvenue à vous dans notre Fada. Merci beaucoup Fanta. Bienvenue à toutes et à tous hein, dans notre Fada. Je m'appelle Fanta Chamsi à la technique. Nous avons Abdelkader Champiano. Masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango a nan bakin bibliothèque Mamman Sagir ta campus universitaire na Université de Niamey. Avec nos invités camerounais de Koukaji, nous allons explorer les enjeux liés à la lecture et partager des expériences et aussi envisager des pistes pour valoriser davantage la lecture dans notre société. Pour commencer, Fatouma, en quoi il est important de lire selon toi La lecture, en tout cas, c'est la base de la connaissance. Comme je le disais, en tout cas, la lecture, c'est la base de la connaissance. Si on veut vraiment se développer, ça passe par la connaissance. La lecture, non seulement ça stimule le cerveau, ça permet de peaufiner sa personnalité. Parce que aujourd'hui, société qui mugashi nan dai muna dai ta hene. Akwai education na gida, akwai na makaranta, amma akwai education nan da ba a nan gaba mu. Shine wanda muke samu a cikin Livrerie. de Fatouma, à côté d'elle, comme je le disais, nous avons Omar Moussa Rabio qui est le responsable d'une bibliothèque. Et je sais qu'il est bien placé pour nous parler de l'importance de la lecture. Donc, euh, me poser la question quand même de savoir quelle est l'importance de la lecture me pousse à dire vraiment que la lecture, elle a d'une grande importance surtout dans la vie de l'homme au-delà de l'étudiant et aussi de tous les scolaires de manière générale. Parce que la lecture, elle a quand même autant de bienfaits qu'il serait en réalité impossible de tous les citer. Parce que quand on lit vraiment, ça permet de se découvrir soi-même, mais aussi et surtout de découvrir le monde qui nous entoure. Parce que quand on lit, on dit que euh, en réalité, euh, la recherche de la connaissance à travers la lecture, c'est vraiment un canal par lequel on arrive à s'identifier. Parce que quand on lit, on peut tout de même faire découvrir sa propre culture peut-être cachée, mais aussi et surtout connaître en réalité qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce que si vous vous rappelez un peu, il y a eu toute une stigmatisation et aussi tout un refus de l'histoire de l'Afrique. Et tout cela est dû par le fait que la lecture à l'époque n'a pas été beaucoup plus valorisée. Moi, je pense que si ça aurait été que les gens avaient accordé de l'importance à la lecture, avaient écrit autant qu'il faut et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas en réalité être dans la marge de l'histoire du monde. Mais moi, je pense que quand on lit vraiment on s'identifie. Et parlant de culture, on améliore aussi sa culture générale. Effectivement. Et toi, à ton avis, en quoi il est important de lire da da da da Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit individuellement parce que à mon avis aussi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez et le train du monde. Tous les continents, tous les pays ou même toutes les générations, ils sont partis en avant parce que quelque part, ils nourrissent une certaine curiosité de savoir. Et à mon avis, la lecture est l'outil le plus adapté et le plus essentiel pour un homme, qui qu'il soit, d'accord, et quel que soit le statut qu'il occupe, pour pouvoir satisfaire cette curiosité-là. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans la curiosité, sans vouloir savoir ce que l'on ne sait pas, sans se poser des questions sur l'énigme du monde ou sur l'énigme de la connaissance ou sur l'énigme des connaissances. Aujourd'hui, nous avons la chance que, peu importe le domaine que vous faites, que vous soyez étudiant, que vous soyez scolaire, que vous soyez euh, fonctionnaire, architecte, euh, que vous soyez même journaliste, aujourd'hui, tout est écrit. Donc, ni Aganina, kawai ba don wani abu bane ba duka kasashe da yawa suke gabanmu kawai dan dai mun juya ma karatu baya ne karatu kun ba ni lakol kadai ba paske muna mu a ganin mu kawai karatu lakol ne in ka da ka huta lakol shikenan koko da ka samu eh, wannan diplom in ka shikenan karatu ya ida maka alors que anan ne ma karatu ya fara paske bayan karatu aiki za ka kama kenan in aikin da ka kama cikin do wani domini ne il faudrait que lokacin da ka kama aiki que tu te battes pour pouvoir t'améliorer, pour être le meilleur dans le domaine où tu es. Et la lecture t'offre ça. Et pour moi, c'est ça aussi l'importance de la lecture. Entre autres, il peut il peut te permettre, elle peut te permettre d'être un bon élève, d'être un bon étudiant, un étudiant critique. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde selon le système que nous avons, c'est mécanique. Tu biches ta leçon et puis tu pars en examen, tu verses comme tel et puis voilà. Après tu n'es plus capable de, voilà ah, mais avant même d'atteindre cette question, Fatouma quelle est la particularité d'un lecteur comparé à celui qui ne lit pas La plus grande particularité d'un grand lecteur, c'est vraiment l'avance qu'il a sur les autres, la perception, l'ouverture qu'il a par rapport aux autres. Aujourd'hui, quand tu es un bon lecteur, tu peux être un bon, peu importe le domaine que tu choisis. Et c'est ce qui nous différencie. Il y a une citation qui dit que ne fais jamais confiance à une personne qui a une grande télé chez lui et qui n'a pas de bibliothèque. Et là, tout résume la situation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Il y a tellement de télévision, on est tellement exposé aux écrans que on oublie l'essentiel, le retour sur soi. Aujourd'hui, peu importe ce que vous voulez, en tout cas affronter, c'est vraiment savoir qui tu es. Il, en a parlé tout à l'heure, qui nous sommes en tant qu'êtres humains et qu'est-ce que nous avons à offrir aux autres. Et c'est ce que cette lecture nous permet de faire. Cette particularité, moi, je me dis, je ne la retrouve que chez les grands lecteurs. Aujourd'hui, il y a des intellectuels qui sont seulement là, ils se cantonnent ah, seulement ce qu'on leur donne. Alors qu'il faut aller voir au-delà de ce qu'on te donne et exploiter les richesses en vue que tu puisses vraiment le, le mettre à profit. Non seulement pour toi, pour ton entourage, mais aussi pour ton pays. Mhm. Voilà. Donc, elle a parlé de télé et de bibliothèque. À un certain moment, il faut le dire, les jeunes ont plus confiance aux médias, par exemple aux séries, aux films, alors que ces médias-là ne peuvent pas faire, en tout cas, je parle clairement des films et des séries, et ne peuvent pas faire la formation euh, des jeunes. Et il disait justement que quand vous regardez un film, il dit que votre esprit critique s'endort. Et avec le livre, c'est tout à fait le contraire. Quand vous ouvrez un livre et, quelqu'un peut confirmer ça, c'est Pierre Bourdieu qui dit que lire, c'est aiguiser sa conscience contre la conscience de l'auteur. Ça veut dire que finalement, quand vous prenez un livre et que vous l'ouvrez en train de lire, c'est une discussion que vous ouvrez entre vous-même et l'auteur qui a écrit et, ces livres-là. Et c'est une véritable discussion. Souvent, c'est une contradiction. Souvent, ce qu'il dit, à partir de ce qu'il dit, vous n'êtes pas d'accord et ça vous envoie dans une autre sphère que vous développez. Mhm. Mais ça, ça rentre dans votre acquis à vous. Ou même souvent, quand vous êtes d'accord avec lui, c'est pas un problème. Quand même, ça développe encore votre esprit critique et votre manière de voir les choses et qui peut être clairement visible sur n'importe quel sujet demain quand vous discutez. Rabiou, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant qu'on euh, la lecture, ce qu'elle nous offre, c'est quand même, au-delà de la formation personnelle, elle nous offre en réalité beaucoup de choses. Parce que les bons lecteurs, on dit que sont ceux-là qui ont vraiment une capacité communicationnelle extrêmement élevée. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent en réalité avoir cette bonne dose de communication, mais qui malheureusement se trouvent dans l'incapacité de lire. Et moi, je l'ai toujours dit, on ne peut pas avoir une bonne dose de communication tant qu'on ne lit pas. On dit pour euh, cacher quelque chose pour le monde, il faut le cacher dans un livre. Alors il faut partir à la quête, sinon à la recherche de cette chose cachée dans le livre. Thomas de la, wa matasa masu sauraron wannan shirin namu kamar yadda kuka ji tare da bakin namu mahimmancin lecture da kuma particularity kin wanda yake karatu da wanda baya karatu me bambancin su yanzu zamu shaye mu baiwa yan matan studio Kalangu Fili domin su gabatar muna da wannan shirin nasu mai lakani da La Rubrique Rose et on se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir amis de la Fada du studio Kalangu, bienvenue dans la rubrique rose d'aujourd'hui. Ce soir, nous allons parler de techniques de conservation des légumes. Si vous êtes loin des marchés ou si vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller au marché faire les emplettes, eh bien, j'ai la solution pour vous. Je vais vous partager quelques techniques euh, de conservation de légumes pour que vous ne partiez pas chaque jour au marché. La première technique, c'est la congélation. La congélation est la méthode la plus simple pour conserver un grand nombre de légumes tout en préservant leur goût et leur qualité nutritionnelle. Elle nécessite des températures basses inférieures à moins 24 degrés Celsius. La plupart des légumes comme les haricots verts, les petits pois, les épinards, les courgettes, les aubergines, les choux-fleurs ou les tomates peuvent se congeler soit crus, soit cuits sous forme de ratatouille, de potage ou de plats cuisinés. La deuxième technique, euh, eh bien, c'est le séchage. Cette méthode très simple concerne principalement les plantes aromatiques ainsi que les légumes graines comme les haricots secs. Pour les plantes aromatiques comme les romarins, les thym, les sarriettes, les sauges, les marjolins, cueillez-les puis faites-les sécher dans un bocal aéré sombre et chaud avec des températures de 20 à 25 degrés Celsius. Vous pouvez soit les étaler, soit les suspendre en petits bouquets. Une fois les plantes séchées, stockez-les à l'abri de l'humidité pour éviter le développement des moisissures. Quant aux légumes graines, placez les récoltes partant ensoleillées sous les vitrines ou sous une châssis vitrée du potager. Une fois déshydraté, conservez les graines dans des récipients à l'abri de l'humidité. Voilà mes amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour d'autres astuces. rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada d'un à un de bibliotek Sagir campus universitaire na Jami'ar Abdu muke ci da tattaunawa akan wato quelle est l'importance et la place de la lecture chez les jeunes nigériens. Deuxième partie de notre fada, nous allons à présent parler de la place de la lecture au Niger. On va faire la situation actuelle avec nos invités. Je vois déjà Hiro qui me regarde. <laughs> Hiro, vous êtes euh, le président d'un club de lecture, précisément le Cercle des Furies du livre. Et à votre avis, est-ce que les Nigériens aiment lire? vraiment, c'est une question assez compliquée à répondre parce que, bon, moi, je, je me dirais, je dirais que le il faut voir le verre à moitié plein. D'accord Parce que, quand même, il faut reconnaître aussi. À moitié plein ou à moitié vide À moitié plein. <laughs> à moitié plein. Donc, parce que j'ai dit qu'il ne faut pas euh, retourner du revers de la main des efforts que des gens comme me fait, des efforts comme et des gens comme RB fait, comme vous, comme beaucoup d'autres passionnés du livre et de la lecture qui sont nigériens et qui, qui ont foi à la lecture et qui ont foi que lire et c'est s'améliorer et qui ont foi que le livre peut améliorer la condition de notre pays. Donc, mais au-delà de ces gens-là, parce que quand même, il faut le dire aujourd'hui, si vous regardez, il y a beaucoup de clubs de lecture qui font la promotion de la lecture. Je pense que ce n'est pas un rien. C'est quelque chose qu'il faut s'allier. Après, quand, eh, quand on passe cette étape-là, vraiment, c'est triste. C'est très triste de voir que euh, les gens, de manière générale, les jeunes surtout, qui doivent s'accaparer de cet outil de mhm. formation, ne sont aucunement pas intéressés par la lecture, ni par les livres. Moi, j'aurais dit que ce verre-là, je le vois en moitié vide. Parce que, comme je le disais dans, dans mon introduction, il y a tellement de manifestations culturelles. J'ai vu l'agenda, j'ai vu genre quoi, une centaine des manifestations à travers toute l'Afrique, donc deux ah, fois dans d'autres pays. Il y a un salon international qui se passe au, Gabon, comme je l'ai Pas au Gabon, ici même tout près au Mali. Actuellement, ça se passe là-bas. Et, ça avait débuté du 25 au 26, au 26 mai. Et qu'au Niger, on n'a jamais accueilli cette euh, grande initiative allant dans le sens de la promotion de la lecture. C'est là pour répondre peut-être à la question que la place de la lecture au Niger reste encore complexe. Nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons de notre mieux pour que quand même nous puissions au fur et à mesure faire la promotion de la lecture pour que nous puissions toucher un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent s'intéresser vraiment à la lecture parce que c'est vraiment un travail énorme et un travail qui n'est pas du tout facile parce que pour vous dire en réalité il y a des vrais lecteurs il y a des gens qui font semblant d'être des lecteurs aujourd'hui il y a des gens qui ne ressentent que le goût de la lecture que lorsque vous discutez sur un livre ou lorsque vous, citez une partie qui vous a beaucoup plu dans un livre et la personne vous dit mais ce livre là est-ce qu'on peut l'avoir Est-ce que je peux m'en procurer Et une fois que ça n'est procuré, je vous assure, c'est pas pour lire. Souvent, c'est juste en réalité. En fait, parce que dès qu'on parle de la lecture dans un environnement, sinon dans un endroit, ça attire très vite l'attention des gens. Les gens sont tellement sensibles à la lecture, mais le travail en réalité qu'il faut faire sur soi pour vraiment s'adonner à la lecture, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Il faut aimer la chose, il faut avoir la volonté de faire la chose, et aussi il faut se retrouver dans un cadre ou bien dans un cercle des gens quand même qui sont amoureux de la lecture. Peut-être à travers ça, on peut être influencé, on peut être motivé quand même pour lire. Moi, je pense que on n'a pas le droit d'obliger les gens à lire, mais on a le devoir de les amener à comprendre l'importance de la lecture. Parce que mhm. comme l'a dit l'autre, la lecture dévore tout. Fatouma, est-ce que, est que vous aussi vous voyez ce verre à moitié plein en tant qu'ambassadrice Nouveaux Horizons, je m'étais amusée à faire des recherches, à savoir qu'est-ce qui fait en fait la grandeur des États, la grandeur des communautés. Et il se trouve que c'est vraiment la lecture. En tant qu'ambassadrice Nouveaux Horizons du département américain, je m'étais tout, tout de suite penchée sur le modèle de gouvernance des États-Unis. Et, et à ma grande surprise, c'est que la lecture est incluse dans les habitudes même des citoyens américains qu'est-ce qui fait ça Dès le bas âge, les enfants, de leur planning, de leurs habitudes, il y a une partie qui est réservée à la lecture. Ici, chez nous, on ne constate pas ça. Rare même, tout à l'heure, je le disais, notre communauté de lecteurs, on n'atteint même pas quoi 2%, même 2%, 2% même c'est exagéré, même pas 1%. Et moi, je me dis, il y a un problème qui est là. Aujourd'hui, il y a des faux lecteurs. Il suffit de voir un livre avec une personne juste parce que c'est un livre, je me dis, je suis intéressée. Je peux prendre le livre et le garder chez moi pendant quoi 3, 4 mois, voire un an et ne pas le lire. Vous voyez, il y a vraiment assez de défis. Et les enfants qui sont là, la relève, ils veulent même pas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils sont exposés aux écrans. Oui, il y a tellement de facteurs. Et là, vous avez dit, il y a tellement de salles. Moi, je me dis, c'est juste que c'est pas inclus dans la, dans notre culture. Et si on, il y a vraiment un travail à faire, c'est vraiment dès le bas âge, nous même à notre niveau, que cette lecture soit une habitude chez nous et que nous pouvons vraiment l'impliquer chez nos enfants. En tout cas, ici, on lit quand on a des exposés à hein pour ne pas avoir zéro avec messieurs. faire la carrière, passer toute une nuit à faire réviser. Si vous me permettez aussi, je pense que c'est le moment eh, de le dire parce que il me semble qu'à un certain moment au ministère de, au ministère des arts et de la culture il y a une direction qui s'appelle eh, eh, la direction du livre et aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette direction-là. Parce que si, je pense que ce n'est pas, si cette direction-là avait existé, ce n'était pas pour rien. C'est quelque part pour accompagner ou pour résoudre des problèmes comme ça. Parce que je pense que eh, quand on parle des salons, parce que c'est sur quoi on, quand on parle des salons, des livres, il faut comprendre que il y a l'implication euh, euh des, plus grandes, pas forcément des autorités, mais il y a des, il y a l'implication des, plus hautes autorités de plus haut sommet. voyez Et c'est pourquoi j'ai dit que je vois le verre à moitié plein, parce que quand vous regardez, il y a quand même des événements et, littéraires qui se font dans la ville de Niamey. Et ces événements littéraires, quand on regarde, ce sont des particuliers qui le font souvent à leur propre fond mhm. pour pouvoir euh, euh, comment redorer l'image de la littérature. C'est une autre discussion, évidemment. Là, vous êtes euh, en train d'anticiper le sujet de demain sur les obstacles. Mais en attendant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une pause musicale et vous laisser souffler. Bon, alors, si je dois choisir, je pense que pour l'heure, et le titre qui me vient, c'est Kidengado de Yes Band. l'importance de la lecture et sa place au Niger. Ma question suivante c'est que faire euh, pour que les jeunes encore puisque dans la troisième partie de notre fada nous allons parler de comment faire aimer la lecture. Alors, que faire pour que les jeunes accordent plus d'importance à la lecture C'est un grand défi qui n'est pas du tout facile. Mais eh, je pense que comme l'a si bien dit tout à l'heure Hiro, à travers peut-être les événements littéraires qui s'organisent euh, un peu partout au Niger et précisément à Niamey parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être à travers ça, on peut tout de même fois rapprocher surtout les, élèves parce que qui sont encore en voie de devenir en réalité peut-être étudiants ou bien d'être dans la sphère de l'étude supérieure. On peut, parce que c'est une initiative quand même qui a été organisé, je me rappelle l'année passée, par le cercle féru de docteurs, sous l'initiative de, de, Hiro et que à travers les images que moi j'ai constatées, sinon j'ai visualisé sur les réseaux sociaux, j'ai compris en réalité qu'il nous faut ce genre d'initiative. Moi j'avais assisté vraiment à, à une activité organisée par une école de la place. C'est des élèves de la 5e et de la 6e qui ont quand même présenté eh, eh, des ouvrages. Ça a été extrêmement pertinent j'ai causé avec le directeur, il me disait que ça fait partie de leur programme. C'est que il y a une heure qui est strictement réservée pour la lecture. Les élèves sont obligés de lire. Et moi, je pense que si on arrive quand même à décentraliser, sinon à adapter ces genres d'initiatives un peu partout dans les écoles. Moi, je pense que ça peut aider les élèves à grandir avec cet esprit de la lecture. Pour ceux qui est des étudiants, parce que là, ça reste un grand défi à relever, peut-être c'est de, ce, ce, quand même d'intensifier aussi les activités littéraires en réalité les amener à participer, pas obligatoirement, mais à leur dire voilà en réalité l'importance de pourquoi il faut participer à ce genre d'événement qui parle de la lecture. Nous, on a l'habitude d'organiser des, des, activités pareilles ici même à la place AB, sous la tutelle de notre commission, qui est la commission bibliothèque Abdou Au début, c'était vraiment très difficile, mais au fur et à mesure que les gens ont compris l'importance de la lecture, l'importance de participer à ce genre d'événement, les gens vraiment arrivent quand même à participer davantage. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avions créé un groupe, sinon un club qu'on avait dénommé Club de la CEBAMS. Mhm. Merci beaucoup Herbé pour euh, votre contribution. Moi, je vais plutôt m'éloigner un peu de ce qu'il vient de dire. Je suis de ceux qui croient qu'on ne développe pas, on se développe. Et aujourd'hui, moi, de l'expérience que j'ai en tant qu'ambassadrice, euh, Nouveaux Horizons, ambassadrice de la lecture, tu peux pas venir dire à une personne, viens lire, voilà l'importance, voilà. Mais tu peux le faire d'une autre manière subtilement. Aujourd'hui, moi, je, prends toujours l'exemple des enfants parce que moi, je me dis, c'est là le grand travail. Mhm. C'est de là qu'on doit commencer. C'est la base. Aujourd'hui, moi, mes neveux ou mes nièces, il suffit que je prenne un livre, ils vont venir et puis j'essaye, on essaye de lire ensemble, même si c'est un grand livre. Et c'est le, le même travail que je fais avec les élèves de l'école primaire. Je sais pas vu, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. C'est sur le livre là, je peux dire non. C'est un livre sur les harcèlements sexuels à l'égard des enfants. Et moi, à ma grande surprise, lorsque j'avais fait la télé de lecture avec ces enfants-là, je vous assure, les enfants, ils connaissaient en fait les différentes formes ou bien types de violence faites à leur égard. Mais ce qu'ils ne savaient pas, en fait, c'est comment se protéger, vers qui se tourner. Et grâce à ce livre, je vous assure, à la fin, ils étaient contents. Ils étaient contents de voir qu'ils ont le pouvoir de dire non, peu importe la personne qui les agresse. Et je vous assure, j'ai sélectionné 10 jeunes enfants de la classe de CM1, CM2. Mais je vous assure, les enfants qui avaient autour, c'était plus de quoi Une trentaine Ils voulaient faire partie de cet atelier de lecture-là ils étaient là, c'est eux-mêmes qui posaient des questions et répondaient. Vous voyez un peu. Moi, je me dis, si à la maison déjà on voit les, un enfant voit les, euh, euh, ses parents en train de lire, sa soeur en train de lire, moi, je me dis, il peut directement inclure cette habitude dans ses habitudes-là. Voilà ce que je voulais dire. Hiro, vous vouliez aussi. Euh, oui, oui, oui. je voulais dire par rapport à cette question-là. Et surtout, je voudrais dire, c'est par rapport à mes expériences acquises durant nos activités et des cercles de ferru de livres, des ferru de livres que nous faisons. Et finalement, moi, je suis arrivé à un certain niveau où je me dis, mais en fait, euh, souvent, on tient les jeunes pour responsables euh, de, de, cet état de fait. C'est que c'est l'environnement qui ne, euh, qui ne favorise pas de s'intéresser aux livre Parce que quand vous regardez dans un pays où il y a tant de fadas, il y a il y a aussi l'emprise euh, des, télé télés et, comment on a des réseaux sociaux sur les jeunes, c'est difficile de, se tourner vers le livre. Et justement, Herbé disait cela et à partir de nos activités que nous faisons chaque jour, nous nous venons à nous rendre compte que en fait les gens ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à au livre mais seulement c'est parce que s'intéresser au livre voudrait dire accepter de concentrer un sacrifice pour s'éloigner de tout ce qui pourrait bien me tirer vers le bas vers ce qui peut me tirer vers le haut notamment le livre n'est-ce pas je dirais que il y a des gens qu'on arrive à appeler récupérer, qui euh, euh, chemin faisant euh, s'accrochent au livre ou s'accroche aux autres amis passionnés du livre parce que je pense que ça aide aussi souvent. Et souvent, je me dis aussi cette chose-là. Par exemple, quand vous prenez dans les autres pays, les auteurs, et dans des pays africains, je vais dire, n'est-ce pas Les auteurs euh, de ces pays africains-là, pour pouvoir et, démocratiser le livre, qu'est-ce qu'ils ont fait Je ne dis pas que c'est la solution ultime, ils se sont tournés vers les langues locales. Donc déjà, essayer d'écrire dans les langues locales et aussi essayer d'envoyer de, ces livres-là, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'importance de, de la lecture. La lecture, lire quoi est-ce qu'on parle des livres écrits en français mhm. où la, la, la, majeure partie de la population ne savent pas lire et écrire en français mhm. La majeure partie de la population nigérienne, ce sont les populations qui se trouvent dans les villages, dans les, campagnes, zones rurales. Dans les zones rurales. Mhm. Alors il faut aussi penser à... Et en ce sens, je vois que c'est une belle alternative d'écrire déjà dans un premier temps dans nos langues. Et je me rappelle qu'on avait lu un livre de Ngudi Wachango qui disait qu'il avait écrit dans leur langue euh, locale et le livre était parti dans les villages et voilà que tous les villageois qui ne savaient même pas lire et écrire achetaient le livre et donnaient à quelqu'un qui savait lire pour qu'elle leur lise et qu'ils entendent. Je pense que tout ça, ce sont des choses qu'il faut à un certain moment en parler et, quand on parle de l'importance de la lecture au Niger pour dire que euh, euh, ce n'est pas que le français qui nous intéresse comme langue de lecture, mais que les autres langues euh, locales aussi pourraient nous intéresser. Voilà, sans paraître long, que je voulais dire. Et pour conclure, moi j'ai une dernière question. Comment la lecture a changé votre vie Moi, je, voudrais surtout euh, euh, partager avec vous un récit. Donc, fanta kaman la barre de son in la barre wani ɗalibi ne de shida don shi wannan mushen nashi kullum he ta sha mushi kai i karatu shi kuma ɗalibin a wani lokaci he ke ganin kamar duk karatun da yake in ya tsaya tambayi tambayi shi menene mahimmanci menene ma'anan wannan karatun duka da ya ta sha menene ya rike bai samun amsa wannan tambayar tashi he shi kenan a wata rana mushe yana nan zamne saman wani banci kusan wani tabki ya zo ya tar da mushen ce ma mushe mushe ni kullum kuna ce min in yi karatu in yi karatu me ni kullum ina karatu amma ni karatun nan ni kamar dai ban gaba ma mahimmancin shi ba mushan sai ya kalle shi ba ce komi ba sai mushin ya ce mishi dibo ga wani kondo can doka min kondon nan ka je ka ɗebo mini ruwa ai kun san da kondo yake ko mm-hmm. kuma bai iya ɗiba ruwa ko cewa kwando ba an ruwa ba wara. <laughs> don yanzu shi ɗalibin ya kalli wannan kwandon ya kalli mushen nashi to kuma babu damar ya ce ma mushe mushe kwando ne kuma za ku ce mana ɗebo ruwa haka nan dai cikin wannan ladabin ɗalibi to ya je wurin tabki ya sa kwandon zai ɗebo ruwa ko da ya ɗaga kwando ruwan da duk kwandon ya ɗauko he suka zube cikin tabki ya yi tayin haka ne ya yi tayin haka nan he da ya kai bakin hakurin da yake iya yi kawai ya ce to kawai me yi ce zata yi ya juya ya je wurin mushe ya ce mushe shi kun sani sarai kwando ba ya ɗiba ruwa kuma kuka ce mini in ɗauki kondo kuma in je in ɗebo ruwa mushan ya yi ɗan dariya sai ce mishi to yanzu duka kanka ka dibi kwandon a lokacin ɗalibin sai ya duka kanshi ya ga kwandon nan da ya ɗauka a cikin shara mai dauɗa kondon ya yi haske yawonku he he shan ya ce mishi to kalka je nesa ka diba ana ta ai karatu ai karatu karatu wanke kwakwalwa yake eh, saboda shine ake ake ta ai karatu ai karatu voilà le récit ma'anar bah, expérience kin <laughs> da <laughs> je voulais dire Alors, merci à tous hein, pour votre contribution dans notre FADA d'aujourd'hui. Avant de clôturer, chers auditeurs, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Amis du Fada, bonsoir. Bienvenue dans cette chronique dédiée à l'action humanitaire. Une aventure qui transcende les frontières pour apporter espoir et soutien aux plus vulnérables de notre planète. Pour commencer, parlons de l'essence même de l'action humanitaire. L'action humanitaire souvent menée par des héros anonyme repose sur la compassion et la volonté de faire une différence. C'est un appel à l'empathie qui transcende les barrières culturelles, politiques et sociales. Alors, quels sont les défis du terrain auxquels font face les travailleurs humanitaires Plongeons au cœur des défis extraordinaires auxquels font face les travailleurs humanitaires. Ces héros qui s'élancent courageusement dans l'inconnu pour offrir de l'aide là où elle est désespérément nécessaires. Premièrement, les zones de conflit. Les travailleurs humanitaires opérant dans des zones de conflit font face à des risques constants. La sécurité personnelle devient une équation complexe, équilibrant la nécessité d'aider avec la réalité de la violence. Ils doivent négocier avec des partis opposés, souvent dans des contextes politiques délicats, pour assurer l'accès aux communautés vulnérables. S'ensuit les catastrophes naturelles, des ouragans dévastateurs au tremblement de terre dévastateur, les catastrophes naturelles créent des scénarios d'urgence auxquels les travailleurs humanitaires doivent réagir rapidement. Les infrastructures détruites et les conditions difficiles compliquent la logistique, mettant à l'épreuve leur capacité à fournir une assistance immédiate. Les maladies et épidémies. Les épidémies, comme nous l'avons vu avec euh, la pandémie mondiale, mettent à rude épreuve les ressources ressources sanitaires humaines. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dimanche pour la suite. Merci Sainu na na Aujourd'hui kamar de kuka nous étions en compagnie de Fatouma Tonkwano Pierre, l'ambassadrice des éditions Nouveaux Horizons au Niger. Nous étions aussi en compagnie de Mamman Hiro Foulou, c'est le président du club des lectures Cercle des félus du livre. Et pas que, il est aussi écrivain et conteur. Et nous avions aussi euh, dans notre fada d'aujourd'hui Moussa Oumarou Rabiou, responsable de la bibliothèque Mamman Sagir du campus universitaire da University of de Niamey tare da su kamar yadda kuka ji mun tattauna akan mahimmanci et aussi la place de la lecture au Niger. A cikin wannan shirin namu mun ji menene mahimmancin karatu, mun ji matsayin ita lecture da kuma ababen da ke sa mutane da dama ba sa son yin ta. Daga karshe kuma mun ji wane dabaru ne ya kamata a yi don mutane su samu su shiga cikin wannan lecture kin da dumu A nan za yi bankwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai muna rai kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirin shirye Studio Kalangu.